li justice wax mooy ñu libéré ko koo xam ne kii sa yaram dafa sutante dañ la war a yóbbu foo xam ne fii fa ngay fajoo loolu code pénal daf ko prévoir loolu mooy droit humanitaire maanaam droit sax dañ ciy ànd ak yërmande bàyyi ko mu génn mën a faju ji dellu ci njabootam ba noppi nag man dama jàpp ne lii euh, politique rek a ko lal politique dong a ko lal ko bàyyi mu dellu këram voilà participer élection yi comme ñëpp comme ñun ñi ñëpp voilà loolay démocratie

voilà, en prison. Ça, c'est le droit humanitaire, c'est le les droits humains. Voilà, qu'il soit dans des conditions euh, de recevoir les soins adaptés à sa condition physique. Ça, c'est des dispositions de la loi, parce que la loi est humanitaire. et il doit être libéré de toute façon, puisque nous considérons que c'est un détenu d'opinion. L'objectif, c'est de l'empêcher de participer à des élections présidentielles. Il faut libérer tout le monde. Les milliers de jeunes qui sont dans les prisons, dont notre responsable départemental à Tamba, parmi d'autres, et Ousmane Sonko aussi. Voilà, c'est l'objet aujourd'hui de notre participation à cette marche.